les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons, et sur tous ceux qui ont suivi les traces jusqu'au jugement dernier. Hier, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette surah, surah al-Ma'ida, on s'est arrivé à la 89e verset de cette surah. Suratul Ma'ida. Nous allons continuer avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le 90e euh, verset de cette surah. Nous sommes aujourd'hui au 20e jour de ce mois de Ramadan, euh, l'année 1445, ce qui équivaut au 30e jour euh, du troisième mois, l'année 2024, l'ère grégorienne. Allah subhanahu wa ta'ala nous prions de nous faciliter le tafsir, ce tafsir, et de nous faciliter aussi les autres activités que nous menons du jour au lendemain dans, notre, dans nos jours. Nous allons continuer avec le 90e verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya alladhina khamru بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله نكره دي يا أيها الذين آمنوا وولي قرايا إنما الخمر والميسر الفين الجي أزار والأنصاب les, les wal aslam, les fraîches des divinations. Rijisum min amal shaitan, donc ne sont qu'une abomination, min amal shaitan, œuvre du diable shaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous parle de l'interdiction de la prise de l'alcool, du vin et de tout ce qui rend l'homme euh, saoul ou perd sa conscience. Donc al-khamr, on parle de khamr lorsqu'on parle de tout ce que l'homme, tout, tout, ce qui rend l'homme ivre, pas seulement euh, l'alcool euh, ou bien le euh, comment avec le vin. Tout ce que l'on va prendre, ça va le rendre ivre. Il va sortir hors de sa conscience, euh, manifester en lui des actions qui ne lui convient pas à cause de la prise de cette chose-là. C'est ça qu'on appelle khamr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Donc c'est ça al-khamr. Tout ce que l'homme va prendre et que ça va lui sortir de sa vraie conscience, il va le rendre inconscient et faire des actions, parler hors de, de, de, de sa conscience, on appelle ça al-khamr. Que ce soit le vin, que ce soit l'alcool, que ce soit tramol, que ce soit des produits ou bien des, comment on des substances que, que les gens prennent de nos jours. Ils sont là de différentes sortes. Nos jeunes, nos jeunes d'aujourd'hui connaissent mieux ça que tout le monde. Il y a des mélanges que les gens font. Ils prennent eux-mêmes, ils savent qu'après faire, après avoir fait ce mélange-là, il prend, il va sortir de sa conscience et ça va le rendre ivre. Et les gens prennent ça. Et les gens se comment, c'est, euh, les uns les autres ça fait qu'aujourd'hui, vous allez voir des jeunes, très jeunes, dans la communauté musulmane, ils connaissent, euh, comment on ça, beaucoup, beaucoup de ces choses-là. Ce qui fait mal. Parce que dans le bas âge, le, bas âge quand un enfant commence par se livrer à ces genre de choses-là, imagine la suite de sa vie. Il ne va rien foutre dans sa vie parce que une fois l'homme est ivre dès le début de sa journée, mais comment il va terminer sa journée C'est fini, il ne peut plus travailler, il n'est pas dans sa conscience, donc il ne peut rien faire pour ses bienfaits, pour, euh, comment répète-on, euh, les choses qui vont lui, qui va lui apporter les bonnes choses dans sa vie. Donc tout ce que l'on prend, et ça va lui rendre ivre, c'est haram. Et il est sous al-khamr, donc le vin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, innam al-khamr, certes le vin. Et wal-maisir, al-maisir, c'est le jeu hasard. Tout ce qui est comme le jeu hasard, est sous ce verset-là. Donc, la, loterie, les jeux, les différentes sortes de jeux hasard, tout ce que vous allez poser de l'argent et prendre, donc ça c'est des jeux hasard. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wal Donc, al il y a des éléments qui disent que ce mot est tiré de al yusr. Al yusr qui est la facilité. Parce que l'homme acquiert de l'argent par, par une voie très facile. Donc, il ne, faut, il ne fait pas des efforts, il ne se fatigue pas. Donc, il ne se gêne pas pour avoir cet argent-là. Il suffit seulement de poser de, l'argent dans des groupes. Donc, celui qui fait tel, il ramasse tout l'argent. Donc, c'est pourquoi on l'appelle Al-Mesir. Donc, Al-Mesir qui est tiré de Al-Yusr, qui est facilité, qui est la, la, facilité. Donc, l'homme gagne de l'argent par une fois très facile. Donc, il ne se fatigue pas pour avoir cet argent-là. Donc, toute fois que l'homme va passer pour avoir de, l'argent facile, ok, euh, par, le jeu hasard, donc c'est dit haram. Al-ansab, les ulama disent que Al-ansab, c'est les idoles. Il y a certains qui disent que Al-ansab, ce sont des pierres, comme le verset dit, les pierres dressées. Donc, ce sont des pierres euh, que les gens, les gens avant l'arrivée de l'islam, donc des pierres spécifiées pour immoler des choses là-dessus. Donc, pour faire couler les sang. S'il y a euh, un sacrifice qu'il faut donner à une idole, c'est sur cette pierre-là que les gens vont amener leur sacrifice immoler le sang sur, immoler, verser le sang sur cette pierre-là avant de donner, euh, comment l'appelle-t-on, le, le, euh, l'idole ou bien leur Dieu. C'est ça, al-ansab. Donc, que ce soit, ou bien ce sont des, euh, des idoles, ou bien ce sont des pierres qu'on a déposées pour verser le sang là-dessus, afin qu'on puisse faire des cérémonies ou bien des sacrifices. C'est ça, al-ansab. Et al-azlam. Al-azlam, euh, comme le verset le dit, euh, l'ensemble ou c'est les flèches des divinations. Au temps de, de Jahiliya, avant l'arrivée de l'islam, il y a des flèches, hein, des flèches qu'ils font, ils mettent dans des, dans des marmites ou bien dans des, des, de oui, des marmites ou bien dans des jarres Il y a une flèche sur, sur laquelle on écrit « fait Sur une autre, « Ne fait pas ». Et on écrit rien sur la troisième on dépose dans, cette, dans, dans, dans la jarre ou dans la marmite. C'est posé posé comme ça. S'il y a une affaire à faire, alors, alors il faut venir consulter cette marmite-là, ou bien ce, cette jarre-là. On va mettre la main par hasard, ce qu'on tire dans, cette, dans cette jarre là donc on va voir ce qui est écrit sur la flèche. Est-ce que euh, on nous ordonne de faire, là on fait. Est-ce que le, là, ce qui est écrit, c'est l'interdiction, là on s'abstient de le faire, ou bien c'est neutre. Là, si on sort la flèche neutre, on refait encore jusqu'à ce qu'on tombe sur une flèche qui nous ordonne de faire ou bien qui nous interdit de le faire. Alors, c'est ça qu'on appelle al-azlam. Donc, c'est une manière, c'est une manière de se consulter ou bien de consulter. Donc, elle dit, c'est une manière de consultation pour voir dans ses affaires, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Quand la flèche continue nous dit de faire, alors on fait. Quand la flèche continue nous dit de ne pas faire, alors on cesse de faire. Ou bien, si c'est le neutre, on tire, alors on, s'abstient de le, on s'abstient, on refait. C'est ça, Al-Azlam. Au temps de Jahiliya, c'est de cette manière qu'il faut pour se consulter. Ok Chez nous, bon, avant même d'arriver chez nous, il y a aussi une manière qu'ils consultent leur affaire. A dit, s'il a une affaire à faire, c'est le commerce, le voyage, le mariage, n'importe quelle affaire de sa vie. S'il a envie de le faire, il ne fait pas. Ok il se jette d'abord dans cette consultation-là, dans ce genre de consultation. Là, il va au champ, donc il va consulter. Si c'est bon, ce n'est pas bon, alors si tire la flèche qui dit de ne pas aller, donc pour lui, ce n'est pas bon, il cesse de le faire. Ils ont aussi une manière par faire qu'ils font dans le temps du Jahiliya avant l'arrivée de l'islam, on dit Atatayur. Atatayur, c'est une consultation qu'ils font lorsqu'il a envie d'aller en voyage, au champ ou quelque part. Il sort très tôt le matin, va à l'arbre, la, comment, au niveau d'un arbre qui est situé juste à sa maison, à côté de sa maison, ou bien quelque part à côté de lui. Il va remuer l'arbre. Quand les quand les oiseaux qui sont sur l'arbre, ils quittent, ils s'envolent vers la droite, donc ils font, ils prennent la direction de la droite. Alors pour lui, il y a la chance, il faut aller. Donc si les oiseaux quittent sur cet arbre-là, ils vont vers la direction gauche. Donc, ça, il n'y a pas la chance, alors ce n'est pas la peine d'aller, il retourne à la maison. Donc, cette journée-là cette -là est devenue nulle, il ne va plus encore aller pour faire le travail. C'est comme ça autant après l'islam, après, comment avant, avant l'islam. Si les oiseaux quittent, certains vont à droite, certains vont à gauche, donc pour lui, il faut refaire. Donc, c'est une manière de, c'est cette note là que nous avons parlé de, dans la jarre que les gens, euh, que les gens font. Donc une partie à gauche, une partie à droite. Donc là, il n'y a pas déterminé. Il a, ce n'est pas clair, donc il faut refaire. Quand les oiseaux vont pâcher, vont aller vers la droite, ça veut dire qu'il y a la chance, il faut aller. Quand c'est vers la gauche, ça veut dire qu'il n'y a pas la chance, il ne va plus au champ, il ne voyage plus, il retourne à la maison. Jusqu'au le lendemain. Ok, demain, il vient refaire encore. Quand ça tourne vers la, la gauche, donc il retourne encore à la maison, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il voit, ou bien il trouve sur cette flèche-là l'ordre qu'il lui donne c'est-à-dire quelque chose qui lui donne l'ordre d'aller, alors en ce moment, il va aller. Donc, c'est cette façon qu'il se consulte. Donc, cette consultation. Ça, c'est dans le passé, le temps avant l'islam. Et cette, euh, euh, comment on cette chose-là est toujours là. Il y a toujours, même de nos jours, même si ça a pris autre forme, mais il y a les gens qui les pratiquent. Aujourd'hui, il se peut que seulement des gens qui ont surtout l'habitude d'aller chez les charlatans. Donc, on leur donne certains signes Hein, ils sont là, ils observent ces signes-là. S'ils voient là, ce signe-là apparaître, alors ils disent non, il n'y a pas la chance, il faut retourner. Donc ce n'est pas la peine d'aller au marché. Ils sortent très tôt le matin. La toute première personne qu'ils voient devant lui, peut-être c'est un borgne. Il a un seul œil. Ah, il n'y a pas la chance. Donc il faut retourner à la maison. Ou bien c'est un boîtier. C'est un boîtier, La toute première personne qu'il voit après sa sortie de la maison, c'est un, boîtier. Donc comment je vais rencontrer un boîtier toute Donc, il n'y a pas la chance, il retourne à la maison. Donc, il y a des choses, il y a des gens qui font ces choses-là et c'est très étonnant. C'est étonnant. Il y a même, quand vous allez souvent chez les revendices elles sortent la nourriture très tôt le matin. OK Les gens viennent. Surtout celles qui a beaucoup de clients. Donc, les gens, les gens viennent. Quand les gens viennent, elles viennent le matin, elles voient. Donc, elles font semblant de ne pas finir à déposer ces choses-là. Elle fait des gymnastiques, aller à gauche, poser ceci, de placer ceci. Et au même moment qu'elle fait ça, elle est en train de regarder le visage des gens devant, devant elle. Puisque le charlatan ou le marabout, le marabout qu'elle consulte d'habitude, elle, le, le marabout lui donne conseil. Quand tu commences par vendre à un homme court, il faut savoir que tu n'auras pas la chance. La nourriture va rester, tu vas retourner avec ça à la maison. Ou bien quand tu commences par vendre à un homme, euh, à une fille, ou bien à une femme, donc du genre euh, féminin, donc, il faut savoir que tu vas retourner à la maison sans vendre. Donc, la, le riz ou bien l'haricot va rester, tu vas retourner sans rien bénéficier. Tu commences par vendre à peut-être à un vieillard et ainsi de suite. Il y a ces choses-là. Il y a ces choses-là. Donc, euh, il y a même certaines, euh, quand tu viens le matin, si tu es le premier client, il te pose la question. Tu es sorti de la maison ou bien tu vas à la maison. OK Quand tu es sorti, quand tu lui dis que tu es sorti de la maison, là, il te vend. Quand tu mais tu retournes à la maison, il te dit non, il ne te vend pas. Parce que quand tu retournes à la maison, tu retournes avec sa chance. Donc, fermé dans la maison, il n'aura pas des clients, il ne va plus vendre dans la journée. Moi, ça m'est arrivé une fois quand j'étais à Accra. Euh, quand j'étais à Accra, euh, très tôt, je voulais aller à l'école et je suis sorti de la maison. Donc, euh, je voulais acheter Lipton pour aller préparer le thé, parce que souvent je sors à la maison avant d'aller, je fais escale chez mon maisonnier. Il a euh, comment appelle sa boutique, c'est là que je prends mon pour euh, partir. Donc je sortais et je suis passé juste à côté de chez là où j'habitais. Donc la boutique était ouverte. Donc je vais telle ou telle et telle chose. Et la toute première question qu'il m'a demandé, tu sors de la maison ou bien tu rentres J'ai dit non, je sors de la maison, je vais à l'école. Ah, d'accord, d'accord. Donc il est content, il m'a vendu ça. Bon, moi je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc arrivé, j'ai dit ça à mon musonnier l'homme euh, chez qui j'étais, il m'a dit, bon, et ça m'a paru bizarre, telle personne m'a posé la question de savoir si je rentrais ou bien je sortais. Et je lui ai dit, je sortais, il était content, il m'a vendu. Il dit, ah, c'était vraiment ta chance. Sinon, si tu disais que tu rentrais, il n'allait pas te vendre. Pourquoi Parce que tu rentrais avec sa chance. Donc, son marché, ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la chance. Mais tu sors, ça veut dire que tu es sorti avec la chance, il te vend. Donc, j'ai fait de mon mieux un jour de sortir très tôt ou lui dire que je vais retirer pour voir s'il va me vendre ou pas. À chaque fois que je viens, il ne me pose pas la question. Ça veut dire que quelqu'un m'a devancé. À chaque fois que je viens, il dit, je n'ai pas eu la chance encore de voir s'il va me vendre ou pas. Donc des gens ont cette croyance-là. Que ça ne vous étonne pas. Hein. Ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Donc ces gens-là, ces pratiques-là, depuis le temps de, de comment l'appelle-t-on, euh, avant l'arrivée de l'islam, les gens pratiquaient ça avant l'arrivée de l'islam, les gens ont abandonné, mais il y a certains qui ont gardé aussi cette, pratique-là. Ceux qui ne sont pas convertis, ils, sont, ils ont toujours gardé leur pratique. Et c'est ça qui a, comment on qui, qui est passé. Donc les gens ont pris ça de l'enseignement des générations en génération, et ça s'est modifié, ça a pris des formes différentes jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, ces choses-là, ces choses-là, euh, existent. Ça existe. Moi-même, je suis allé devant une rubandeuse là, toujours à Accra, pour acheter euh, à manger, c'était dans le week-end. Donc il y avait beaucoup de gens, les gens criaient sur la femme, la, bonne femme, mais nous sommes là depuis là, il faut nous revendre, tu, t'es euh, Donc les gens criaient, elle ne s'en foutaient pas déjà Donc il a fallu qu'un jeune homme, un, jeune homme comme ça, un enfant de, un tout petit, hein, un teint clair comme ça, à son arrivée en même temps, il a pris son assiette et il a vendu, et maintenant il a commencé par vendre. vous voyez comment les gens souffrent dans leur vie Allah subhanahu wa ta'ala est là. Il faut placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens ont toujours tendance à aller chez les charlatans, ils ont toujours tendance, tendance à aller chez les marabouts. Ils veulent coûte que coûte consulter l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir va donner Or, l'avenir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens veulent coûte que coûte savoir ce qui va se passer demain. Or, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à savoir ce qui va se passer demain. Donc, les gens se fatiguent. Quand c'est une nouvelle, mauvaise nouvelle pour lui, tu vois que jusqu'à avant que le demain, demain là arrive, il est déjà triste. Parce que c'est que déjà, demain, là, ce n'est pas bon pour lui. <coughs> Ce n'est pas bon pour lui. Donc, c'est ça, Al-Azlam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens de pratique-là, c'est haram. إنما ansabu والميسر والأنصاب azlamu رجس min amal shaitani فاجتنبوه donc c'est ça donc euh, le, Allah, le prophète alayhi salatu a interdit cela à travers beaucoup de ses hadiths Allah subhanahu wa ta'ala a condamné ça le prophète alayhi salatu wasalam a condamné, a condamné, a condamné ça en remplaçant ces pratiques-là par ce qu'on appelle at le fait de se, confier à Allah subhanahu wa ta'ala, de remettre ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, donc euh, de ne même pas se gêner, à savoir, savoir ce qui, est de, ce qui viendra demain ou pas. Laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, fais seulement des invocations que ton demain soit meilleur. C'est tout. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de te réserver un demain meilleur. Donc Allah dit, « Wal ansabu wal azlamu rejisum min amal shaitani » fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala dit tous ces gens de pratiques là, c'est régis. Donc c'est abomination, abomination qui sont des saletés, c'est l'œuvre de Shaitan, c'est le travail de Shaitan. C'est Shaitan qui vous pousse à gâter votre euh, foi à Allah subhanahu wa ta'ala, à détruire votre euh, dogme, votre euh, tawhid à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Shaitan qui vous pousse à faire tout cela, puisqu'il a pris l'engagement qu'il va prendre une grande partie des fils d'Adam pour aller avec eux en enfer. Donc tout celui-là que Shaitan est arrivé, il est arrivé à détruire son tawhid, son monothéisme, il a fini avec lui. Parce que c'est la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est la seule chose que, qui représente, euh, comment, comment on ton, ton vrai islam. Une fois que le dogme, le tawhid est parti, donc Shaitan a fini avec toi. Wallah, il a fini avec l'homme. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ça là, ce sont des pratiques haram. فاجتنبوه لعلكم donc, écartez-vous-en et euh, allez-y, écartez-vous-en de ces pratiques-là afin que vous réussissez. Les éléments, pour ces verset, ils ont parlé beaucoup, de beaucoup de choses. D'abord, il y a des éléments qui disent que ce verset, d'ailleurs, on compte ce verset-là comme le tout dernier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour l'interdiction finale de la, du, du vin Ok, de l'alcool et de tout ce qui détruit la conscience humaine. Tout ce qui va faire partie de ta conscience, tout ce qui va te sortir de ta conscience, de ta vraie conscience. Donc, que tu rentres dans un monde, ok, tu ne sais même pas, que, tu ne sais même pas ce que tu fais. Donc, ce verset, c'est le verset euh, qui interdit tout cela. C'est pourquoi il est venu dans le tafsir de Safat Tafasir. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné deux choses ici al-khamr al Donc, le vin, le jeu hasard, pour nous montrer deux grandes choses, deux grands méfaits de ces, choses-là. Le premier méfait, il dit d'abord le, le, vin, l'alcool ou tout ce qui détruit la conscience humaine ou sa mémoire, c'est une cause. Ok, la plus de ces choses-là cause beaucoup de méfaits dans sa santé humaine et même, ça engendre la haine entre les gens. Et même, ça conduit à la coupure des liens de famille. Des familles, de, famille. Donc voilà, et al donc le jeu hasard aussi, le, jeu hasard aussi, conduit l'homme à perdre tous ses biens dans, ses, dans ce bas monde-là. Donc la première conséquence que l'on voit dans la prise de l'alcool ou du vin et le jeu hasard, c'est que le, le, vin va conduire l'homme à perdre sa conscience et même ça va causer beaucoup de méfaits dans sa vie, dans sa vie et même ça peut le conduire à couper ses liens familiaux et même engendrer la haine entre les gens. Et le jeu hasard aussi conduit à, un être humain à perdre tout ce qu'il a comme du bien. Parce que c'est dans ce jeu-là, il peut parier toutes choses. Ok Il peut donner de l'argent. Quand ça finit, il ne gagne pas toujours. Il peut donner son habit. Quand ça finit toujours, il peut donner son vélo. Ça, ça ne va pas toujours. Il a toujours l'espoir que ça va aller. Il a une moto, il donne une moto. Ça ne marche pas. Il a une voiture, il donne la voiture. Ça ne marche pas, marche pas toujours. Il a une maison, il donne la maison. Ça ne marche pas toujours. À un moment donné, il perd tout et il devient un pauvre fini. Donc, il perd tout à cause de ce, de ce, de hasard Donc, c'est ça. Et deuxième chose, il y a aussi ce que, ce que ça cause pour l'homme dans, dans, euh, les conséquences que l'homme voit dans sa vie spirituelle, dans sa religion. quand vous prenez de l'alcool et que l'homme perd la conscience, il peut arriver l'heure de la prière, l'homme ne sait même pas qu'il est arrivé, Lors de, l'heure de la prière est arrivée, il ne prie pas. Même si attend l'appel à la prière, il peut quitter à aller à la mosquée l'homme qui n'est pas dans sa conscience, comment il peut prier Allah subhanahu wa ta'ala Comment il peut savoir le nombre de rakats qu'il a fait ou il n'a pas fait dans la prière S'il a mal fait la prière, comment il peut savoir S'il a bien fait la prière, comment il peut savoir Donc c'est comme ça. C'est la prise de l'alcool. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Le jeu hasard, ça peut conduire l'homme aussi à oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit il est gagnant, soit il est perdant. Donc lorsqu'il lorsqu'il gagne, la joie peut le prendre d'une manière où il oublie même qu'il y a ce qu'on appelle la salat. Il peut être là en train de jouer, la prière arrive et il s'en fout. Il dit, bon, nous sommes en groupe, après avoir fini, on va aller prier ensemble. Qui vous dit que on vous permet de rester s'amuser de cette façon et la prière va finir, après tout, vous irez faire votre prière commune. C'est interdit. S'il perd aussi, il peut rester dans la tristesse d'une manière où rien ne le plaît dans sa vie, même la prière. Donc voilà, la prise, de, la, la, la, comment le fait de faire ces deux choses-là, le vin, le jeu hasard, voilà comment ça conduit l'homme à perdre sa vie, à perdre même sa religion. Donc, al khamru wal maisur wal ansabu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah SWT wa ta'ala dit écartez-vous-en, fajtanibuhum la'allakum tuflihun. Donc, il y a des causes de révélation de ces versets-là les musulmans ont apporté beaucoup de causes de révélation de, de ce verset, et nous allons essayer de dire seulement deux ou trois. Il y a ce que l'imam musulman a rapporté dans son livre Sahih, donc dans son recueil des hadiths Sahih Muslim, de la part de Saad ibn Abi Waqqas, Annahu Qal. Saad ibn Abi Waqqas, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Nazalat fiya ayatun min al Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre certains versets du Saint-Coran à propos de mon sujet. Donc il dit, parmi ce qu'il a raconté, dans cette histoire, il a raconté une partie de cette histoire-là. Il dit, je suis arrivé à un groupe parmi les habitants du Médine, à l'Ansar. Et ils ont dit, Viens, nous allons te faire manger et même te faire boire du vin. Il dit, Ceci, c'est avant l'interdiction finale دفر فقال آه، فقال إيه إلدي فأتيتهم في حشر أي سجني يعني شيزي دانسان جاردي فإذا رأس جزور يعني مشوى عندهم فوالا لا تيت دان دان شامو qu'on a déjà préparé, ok, chez eux, et même les pots de vin. Qala, Sadbun Abiyokas wa J'ai mangé, comme ils m'ont promis, j'ai aussi bu avec eux. il dit toujours, Fadhukirat al-Ansar. Et on a parlé des habitants de Medine. Wal et aussi les Mekwa, ceux qui ont quitté la Mecque à pour Medine. Donc, c'est après ça qu'on a commencé par parler des, des gens du Medine et même les gens de la Mecque. Fakultu, et Sadou Abukas a dit, Al-Muhajiruna khayrun min al-Ansar. Ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine sont meilleurs que les gens des habitants, les habitants de, de Médine. et il dit, فأخذ رجل من الأنصار لها جمل فضربني به فجرها أنفي. C'est en ce moment que l'un des habitants de Médine a pris, euh, comment on euh, euh, une partie, euh, comment, euh, un membre, ok, de, du, du chameau, il m'a tapé jusqu'à j'ai eu des blessures sur mon nez. Fatet Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et je suis allé chez le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Fa'akhbartuhu, et je lui ai dit ce qui s'est passé. Fa'anzal Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ces versets. Ya alladhina amanu, innama al-khamru wal-maisiru, wal-ansabu wal-azlam, رجس min عمل shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun pour les croyants, innamal khamr, le vin, le jeu hasard, les pieds dressés, les flèches des, des, euh, divinations ne sont qu'une abomination, œuvre du shaitan, Dans une autre version, il y a ce que Abu Ibn Jarir a fait sortir de la part de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu Il dit Tahrim al-khamr fi qabilatayn min qabail al-ansar. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation du vin à cause de deux tribus parmi les tribus des Ansar, donc les habitants de Médine. Il dit Ils ont pris du vin jusqu'à ils sont saoulés. Et c'est ont commencé par blaguer avec les autres. Donc il y a de l'amusement qui a commencé après avoir été saoulé. Imaginez ce que ça va donner. Donc cet amusement-là, ça, ça a été fini mal. Mais après, après qu'ils ont récupéré leur conscience, donc les gens commencent par voir des cicatrices ok, sur leur visage et même sur leur, euh, leur, leur, barbe. Donc ça veut dire qu'ils ne savaient pas au moins où ça, ça s'est passé. Parce qu'ils étaient ivres. Ils étaient ivres. Ok Et ils disent entre eux, Sûrement, c'est elle qui m'a fait ceci. Donc, et il dit, Oh, ils étaient des frères ils n'étaient pas des ennemis, ils étaient des frères. Il n'y a pas de la haine dans leur cœur en faisant ça. Seulement, ils avaient pris de l'alcool, ils avaient pris du vin jusqu'à saouler et ils ont fait ça entre eux. Et c'est après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, pour, cette version dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab. Ô vous qui croyez, certes, le, vin, le, le jusqu'à la fin du verset. Pour certaines, le, la cause de révélation de ces versets, Ya Umar ibn Khattab anhu, et certains même parmi les compagnies du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allés chez le prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit Yatlubuna qawlan faslan fil khamr wal maisir. Donc il demandait une, une, une parole tranchée sur l'affaire de, du vin et même du jahazer. Parce que tout ce qui a été révélé avant ce verset-là, donc ce n'était pas pour eux une preuve, une preuve convaincante. Ça, ça conduit toujours à faire de mauvaises choses. Ça a toujours des, conséquences néfastes. Ça a toujours des méfaits sur les, serviteurs de Dieu et sur même les gens. Donc pour eux, il faudrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne toujours une solution finale sur le vin et le, jeu hasard. C'est en ce, en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit Certes, le diable, le shaitan, il ne veut que jeter parmi vous, ok, à travers la consommation de l'alcool, du vin, le jeu hasard et autres. Ce que shaitan vient à travers ces choses-là, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin, le jeu hasard, l'inimité. Donc au lieu d'être des amis, vous serez des ennemis. Donc l'inimité et la haine wal la haine, certains vont avoir de la haine des autres dans leur cœur. Certains vont euh, comment appelle-t-on euh, avoir des problèmes avec les autres. Donc la haine donc, et vous détournez d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous allez détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la prière ou tout ce qui est comme adoration. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله et il vous détourne d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala wa anis salat et même de la salat fahal antum muntahun allez-vous allez, allez vous donc y mettre fin donc vous allez mettre fin à la prise de ces choses là et au jeu fahal antum muntahun donc voilà c'est ce que j'ai veut. Shaitan veut, coûte que coûte, mettre de la haine, de l'inimité, du autres, dans votre cœur, des problèmes avec les autres dans, les, dans vos cœurs. C'est pourquoi il cherche ou bien il vous pousse à faire ces, ces, jeux Il vous pousse à boire de l'alcool, à, boire du, à prendre du vin et ainsi de suite. Donc il vous, pour vous détourner du rappel d'Allah et même de la prière. Donc, voilà, dans ce verset, les musulmans disent que. Donc, voir l'importance de la prière, voir le lien que la, prière lie entre le serviteur et même son, son, créateur. Donc, c'est pourquoi le serviteur, comment le shaitan veut coûte que coûte rompre ce lien-là. Parce que l'homme qui est sérieux dans la prière, l'homme qui prie, il a cette une bonne relation avec lui et son, créateur, Allah subhanahu wa son Seigneur. Donc, c'est pourquoi Shaitan veut coûte que coûte rompre cette, cette relation-là. S'il n'y a pas la relation entre la, prière entre le serviteur et son créateur, vous voyez qu'il est, il est devenu très facile à, détourner de n'importe comment, à changer la, la voie ou à faire de lui de n'importe comment. Donc c'est pourquoi, donc la seule chose que Shaitan veut détourner les serviteurs de pratiquer, c'est la prière. Parce qu'il connaît l'importance de la prière dans la vie de nos musulmans qui respecte la prière n'est pas une, une petite, la, comment, euh, une personne, une petite personne chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ils auront pour cette lien-là. Donc ici, à la sortie, à la, pardon, à la révélation de ce verset-là, Omar ibn Khattab et même certains des, des, des, des, compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit « Intahayna, intahayna, intahayna » nous avons mieux fait, nous avons mieux fait, nous avons mieux fait. Donc nous avons mieux fait à la prise du vin, de l'alcool et le jeu même hasard. Donc ils ont terminé. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala encore confirme l'interdiction de la prise du vin et du jeu hasard en, en, montrant à travers ce verset-là eh, le méfait, le méfait de la prise de l'alcool et du jeu hasard. C'est ça, euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc c'est pour vous détourner de la, de, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et même de la prière. Fahal antum muntahun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce vous, vous cessez de faire ça, vous allez arrêter de prendre. Donc voilà, Shaitan à travers Cette chose là vous montrez. Ok Puisque Shaitan, il montre, il essaie d'embellir ces, ces, ces péchés-là pour les serviteurs. Donc il y a des gens qui voient que prendre de l'alcool, c'est comme c'est une partie de la civilisation. Quand toi, tu ne prends pas de l'alcool, c'est comme si tu es villageois l'alcool aujourd'hui au sein des... Pas seulement l'alcool, mais la prise des, des, des, substances, là, c'est fréquent dans le milieu musulman. C'est fréquent chez les jeunes musulmans. Ils sont là. Ça veut quoi Il y a des gens même, ils ne font pas de jeûne. Ils ne font pas de jeûne. là prière, ils ne le font pas. Ce n'est pas ça leur problème. Donc, la prise de ces, ces, ces, ces substances-là, le lion qu'on dit, ah, il réfléchit le, la vie, le monde, même la religion d'une autre manière. Il y a des gens, il est sourds, Quand tu vas le parler de la prière, il dit, mais la prière, c'est dans le cœur. La crainte de Dieu, c'est dans le cœur. Mais c'est quoi ça là La crainte de Dieu, c'est dans le cœur et tu ne pries pas. cette croyance-là se manifeste dans l'adoration, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux croire à Allah subhanahu wa ta'ala n'importe quel combat dans, dans le cœur. Si tu ne pries pas, tu n'es pas un croyant. Quand tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas un croyant, tu n'as pas la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est cette foi-là, c'est cette croyance-là qui va te pousser à faire ce qu'Allah veut. Tu es saoul et c'est toi qui prêches aux gens pour dire que non, la crainte de Dieu, c'est dans le cœur. Beaucoup de gens qui prient là, ils prient nul. ils vont seulement à la mosquée, leur cœur ne sont pas bons. Hein? C'est quoi cette vie-là On ne sait pas. Il y a parmi ces jeunes-là, il y a des parents qui ont essayé de faire de leur mieux dans l'éducation. Mais ça n'a pas marché il y a parmi eux, c'est la camaraderie. Il a suivi des camarades, bien que les parents ont fait des efforts, mais la camaraderie a conduit, a conduit ces derniers à la prise de ces substances-là. Il y a certains, c'est manque d'éducation, carrément manque d'éducation. Donc vraiment, il faudrait qu'on appelle, euh, euh, comment l'appelle-t-on, lance appel à nos jeunes frères musulmans à la prise de la conscience. Parce que ça ne conduit nulle part. Quand, euh, dès le bas âge, tu commences pas à prendre ça là, c'est grave. Parce qu'au fur et à mesure, quand tu avances dans la vie, tu vois que ce que tu as commencé par prendre à un moment donné, ça n'agit pas sur le sang. Si c'est peut-être tu prends deux, trois comprimés, ça, ça, fait, ça manifeste en toi. Il peut arriver à un moment donné, tu prends cinq même, ça ne te fait rien. De nos jours, il y a, je ne sais pas, d'un comprimé comme dans Five Star. C'est Tramol. Dans Five Star, déjà, c'est une énergie. Il achète, il prend la moitié et maintenant il met ses comprimés-là. Je ne sais pas c'est quel comprimé. Il met dedans, il, il remet ça correctement. Tu le vois, il fait comme ça avec le, le, le bidon, le, le, le, bidon de, comment l'appelle-t-on, le, de, de Star. Il attend et un il prend ça. Il prend ça, c'est problème déjà. Il a raté sa journée. Si c'est la nuit, ah oh. On m'a rencontré le soir d'un frère là, comme ça. Très tôt le matin, parce qu'il y a certains qui prennent ça pour avoir de la force pour travailler. Donc, euh, il prend ça, il va travailler du matin de 7h jusqu'à 17h, jusqu'à 18h, il ne sent pas la fatigue. Mais tu n'es pas un robot, tu es un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette fatigue-là en toi. Quand tu veux chasser ça, tu auras des problèmes. Donc, il a pris ça sur place avant de commencer par ses activités. Donc, euh, il a pris un peu de temps et le sommeil l'a pris. C'est fini, il est couché là-bas de 8h jusqu'à jusqu 17h avant le réveil. Et à peine il s'est réveillé. Il a raté la journée. Donc, c'est ce sens là Allah subhanahu wa ta'ala interdit ça. إنما يريد al أن يوقع khamr العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة fahal antum muntahun. Donc la prise de euh, ces choses-là, c'est interdit en islam. Parce que ça bloque, ça, ça fait partir la conscience. L'homme ne réfléchit plus. L'homme ne pense plus loin. Donc tout ce qui vient chez toi là, tu fais, tu peux faire ça, c'est pas ton problème. Tu peux insulter euh, ton papa, billah, tu peux insulter la maman, tu peux taper même celui qui fait du bien à toi, c'est pas ton problème. Tu peux l'insulter, c'est pas ton problème. Tu peux prendre ta femme, taper, même divorcer, c'est pas ton problème. Ça, combien de fois ces choses-là ont, manifesté, en des C'est ça, taper ses enfants pour, pour rien du tout, taper sa femme pour rien du tout, aller même taper son papa pour rien du tout parce qu'il a pris la, la comment on il a pris de l'alcool, il a pris du vin et ça, ça manifeste en lui d'une manière où il ne se contrôle pas, il ne se contrôle plus. Après tout, lorsqu'il va récupérer sa conscience, on lui dira Ah, tu avais fait ça, ça, ça, ça hier ou avant-hier quand tu étais comme ça. Oh, hier. Bah, et il ne va pas cesser de prendre. C'est ce qui fait mal. Donc, innama qui shaitan an yuqi bainakum il y a même des gens qui peuvent tuer. Ils peuvent tuer en ce moment même pas qu'il a fait quelque chose. Après tout, il va récupérer sa conscience, il va regretter le fait. Donc c'est pourquoi Sahaba, à la, à la révélation de ces versets de à la descente de ces verset, ils ont dit Ils ont dit On a mis fin, on a mis fin, on a mis fin. Et ils ont cassé tout ce qu'ils ont comme de l'alcool, du vin dans la jarre, tout ça, là, verser ça. Donc, ils ont suivi justement le, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fahal antum muntahun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده فإن توليتم فاعلموا أن إنما على رسولنا البلاغ نعم الله سبحانه وتعالى دي وأطيعوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا obéissez à Allah obéissez au واحذروا et prenez garde فإن توليتم si ensuite vous détournez vous vous فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين alors sachez qu'il n'encombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Donc l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ici encore Allah subhanahu wa ta'ala revient pour renforcer son obéissance puisqu'il a déjà interdit Al-Khamr wal-Maisir wa suddakum an zikrillah donc il a interdit la prise du vin, de, la, le jeu hasard et ainsi de suite. Et le, verset qui a suivi, Allah, subhanahu wa ta'ala dit a donné Inna ma shaitan an yuqi'a bainakum al-adawa donc shaitan ne veut que mettre de la haine, de l'immunité parmi vous. Fa donc après ce verset est-ce que vous avez pris fin, vous avez mis fin à cette chose-là Et Allah subhanahu wa ta'ala revient nous dire encore tout ce qui a été dit, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Allah, obéissez au messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde, méfiez-vous et ne détournez pas le dos ne tournez pas le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, ne tournez pas le dos à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si ensuite vous vous détournez, donc vous détournez le dos contre ce qu'on vous dit, Sachez qu'il n'incombe pas, il ne revient pas à notre messager que de transmettre le message clairement. Ce qui a été révélé sur lui, euh, de transmettre à sa communauté. C'est ça qui l'incombe, c'est ça qui est qui est son travail. Ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala a renforcé une fois, une fois encore son ordre d'équité, le vin, en disant d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéir à son ordre. Donc, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et cette obéissance-là se manifeste euh, en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que vous qui avez cru, encore une fois, donc c'est toujours un message pour vous. Ces méfaits, ces choses-là qui font, qui ne font que détruire votre vie, qui ne font que détruire votre mentalité, alors obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et quittez cette chose-là qui vous font du mal, hein, qui vous font du, qui font mal à votre corps, à votre vie, à votre conscience. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui vous ordonne. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui vous ordonne. Donc, Allah wa Donc, mais prenez garde. N'allez pas contre ce que le prophète alayhi salatu salam vous enseigne. allez contre ce que le prophète alayhi wassalam, euh, nous enseigne. Donc, euh, ça conduit à une grande perte ici-bas et même dans l'au-delà. Quand on tourne le dos à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on tourne le dos à l'enseignement de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa on a déjà pris la route de perdition. Donc, nous allons perdre tout ici-bas et même dans l'au-delà. Et après tout, on n'aura rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a combiné son obéissance et l'obéissance du prophète alayhi salatu salam. Car tout celui qui obéit à Allah doit obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Et tout celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait qu'obéir à Allah subhanahu ta'ala. Parce que tout ce que le prophète dit, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as accepté ce que le prophète a dit, tu as obéi au prophète, sache bien que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as obéi. C'est pourquoi les deux choses vont de pair. À chaque fois, ati Allah ou ati Rasul obéissez à Allah, obéissez à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tant de euh, versets dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala appelle aux croyants de suivre, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son prophète. Allah wa ati'u rasul, wa ati'u Allah wa ati'u rasul. Donc c'est ça. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul, ati'u Allah wa rasul. Donc c'est beaucoup dans le Saint-Coran. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, c'est aussi une manière d'honorer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on place l'obéissance euh, du, prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel honneur pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Si vous vous tournez le dos, vous refusez ce qu'il dit, فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ Donc, euh, ce qu'il convient, ce qu'il, euh, ce qu'il euh, Comme un notre messager, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de transmettre le message clairement. Ça vous dire que si vous refusez de suivre le prophète alayhi sallam, sachez bien que ce prophète, si son travail seulement c'est de transmettre le message, c'est lui qui va vous, c'est lui qui va vous récompenser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, il n'a pas en ses mains la récompense. Il n'a pas en ses mains le paradis. Il n'a pas en ses mains le feu de l'enfer. Il n'a pas en ses mains les châtiments il n'a pas en le pardon, et ainsi de suite. Lui, son travail, c'est de transmettre seulement le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la, euh, comment, le châtiment, la punition, l'enfer, le paradis, le pardon, la miséricorde. Donc si vous voulez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne voulez pas le fait de la fin, obéissez à ce prophète-là. Obéissez à ce, à ce messager et et euh, respecter le message qu'il vous a transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce moment que vous auriez, vous auriez, vous auriez euh, comment, échappé au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et trouver le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et même le paradis. Donc c'est lui qui va vous récompenser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va vous faire le calcul de ce que vous avez fait le jour de la résurrection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le travail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa Ceci, nous allons tirer certaines des modalités que les musulmans ont tirées aussi de ces versets-là. Depuis, ya amanu khamr, donc dans ces trois versets que nous venons de lire. Donc ici, les musulmans disent que ce verset, ya amanu khamr wal est le dernier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la prise du vin et de tout ce qui, euh, de tout ce qui euh, rend l'homme ivre dans sa vie. Donc, c'est le dernier verset, puisque il y a eu des révélations avant ces versets-là. À l'imam al-Qurtubi, que Dieu le pardonne et le place dans sa miséricorde, il dit Tahrim al-Khamr kana bitadrijin wa kathira. Il dit là, l'interdiction du vin a passé par des étapes et aussi par des circonstances, par beaucoup de circonstances. Il dit فإنهم puisque les Arabes se sont familiarisés avec le vin. Donc ça fait parmi des choses qui sont habituées, c'est le vin, l'alcool. Ils prenaient ça. Donc c'est devenu comme leur sang. Donc ils sont habitués d'une manière que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu les interdire d'un seul coup. Il a passé par des étapes, par des étapes pour les interdire afin qu'ils acceptent ça doucement, afin qu'ils acceptent l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, wa awal ma nazala fi shan al-khamr, la toute première révélation, le tout premier verset qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du c'est yas'alunaka an al-khamri wal maisir. Dans surat al-Baqarah, surat 2, verset 119. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yas'alunaka an al-khamri wal maisir, قل فيهما إثم كبير ومنافع wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah subhanahu wa ta'ala dit il te demande sur le vin et le jet hasard. Al-khamr wal maisir, qul fihima ithmun kabir. dit dans les deux, dans le vin et le jet hasard, ithmun kabir, il y a un grand péché. Wa manafi'u linnas et quelques avantages pour les gens. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, mais dans les deux, donc dans le, le, vin et le jet hasard, le péché est plus grand que l'utilité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tout premier verset qu'il a fait descendre pour attirer l'attention des gens, des musulmans, sur la prise de l'alcool ou bien du vin. Falamma nazalat, zalat, al m'a a dit, lorsque le verset a été révélé, donc, tarakaha baadun nas. Certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont carrément cessé de, prendre l'alcool. Wa qalu, et ils ont dit, la hajata fi, la lana fi ma fihi kabir. On n'a plus besoin de ce qui est un péché dedans. Comme Allah dit, il y a le péché dedans. Donc nous, nous avons carrément laissé, on n'a pas besoin de quelque chose où il y a le péché dedans. Certains parmi les gens n'ont pas laissé, ils ont continué de prendre. Et ils ont dit, donc Allah subhanahu wa dit, parmi, dans, ces deux choses-là, il y a le péché et il y a aussi l'avantage. Alors nous, allons prendre l'avantage et laisser le péché qui a dedans. Donc ça veut dire que les gens ont continué par faire le commerce du vin et même prendre du vin. Et ensuite, Allah subhanahu a fait descendre le verset euh, de la sourate Nisa, donc sourate 4, Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Oh vous qui avez cru, vous les croyants, ne vous approchez pas de la salat, donc de la prière, wa antum sukara et en étant ivre, hatta ta'lamu ma taqulun, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites dans la, dans la prière. Donc ça voudrait dire qu'il est interdit ici, en allant à la prière, de prendre l'alcool. Parce que vous ne saurez pas ce que vous allez dire dans la prière. Ok, qu'est-ce que vous allez dire Comment vous allez prier Quel est le nombre de rakats que vous allez faire Vous ne saurez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit ça. Et à la descente de ce verset, certains des gens ont laissé ça, ils ont abandonné carrément la, prise de l'alcool ou bien du vin. Ils, ont dit, la On n'a plus besoin de quelque chose qui va nous, qui va nous détourner de la prière, qui va nous euh, qui, va nous, qui va prendre une partie de notre concentration dans la prière. Donc, on n'a plus besoin de ça. Ce qui va nous détourner de la prière, donc on ne veut plus. Donc, c'est on laissé. Mais par contre, et temps on continue de boire du vin, figuer et aukat salat, mais cette fois-ci, en dehors de l'heure de la prière. Donc, il, il calcule. Lorsqu'il sait qu'il va prendre de l'alcool jusqu'à ce que la, les, les, buffets de l'alcool vont, ne vont plus partir jusqu'à le temps, ne vont pas partir jusqu'à le temps de la prière, alors il cesse de prendre. Donc, ils font des calculs. Il prend jusqu'à ce que l'heure de la prière viendra et sait que jusqu'à ce moment-là, les méfaits sont partis et il peut prier en sa conscience totale. Donc, en ce moment, les gens ont laissé, les gens ont continué de prendre main avec prudence. Dans un indice, Ibn Abd ibn Humayd a rapporté de Arabi, il dit Non, la fin de cette partie, donc, Hatta nazalat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir. Donc, euh, le troisième verset, c'est ce que nous avons lu aujourd'hui. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuh ». Donc, c'est dans ce verset-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complètement, a dit, a, a finalisé l'affaire du, du, du vin. Donc, ce verset-là, c'est l'interdiction finale du vin. Depuis ce jour-là, le vin, l'alcool, tout ce qui rend, rend l'homme ivre, et ce qui fait partie, ce qui, fait le, ce qui le fait sortir de sa vraie conscience est interdit jusqu'à le jour de Qiyam. Donc, même si un musulman aujourd'hui décide de prendre l'alcool, le vin, qu'il sache que c'est haram, il a pris, c'est un péché, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à travers de, allez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths, quand tu prends ça une fois, Allah subhanahu wa ta'ala cesse de prendre ta prière pendant 40 jours. Donc, tes 40 jours de prière, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que tu vas rester à la maison dire que bon, je vais rester après 40 jours, je vais continuer la Non, tu dois faire ça pendant ces 40 jours et Allah, Allah n'accepte pas. Une punition pour toi. Si vous prenez ça une seule fois, imaginez le même jour vous avez pris deux, fois, ou bien le jour suivant vous avez pris une deuxième fois. Chaque jour vous prenez. Comptez, comptez les comment 40, multipliez 40 fois par le nombre que vous prenez. Que vous voyez en une semaine, combien de fois, combien de 40 fois vous allez compter dans votre vie la plus chère, la chose la plus chère chez le musulman, c'est la prière. Il faudrait que l'homme, lorsqu'il attend que quand je prie, Dieu n'accepte pas vraiment que ça le dérange. Il a dit que ça le, je ne sais pas, qu'il y a une prise de conscience. Parce que seule la prière, dans, dans, ces, cinq piliers-là, c'est la, seule chose, le seul pilier que tu peux faire ça à n'importe quel temps, à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation, c'est la prière. Tu es pauvre, tu vas prier. Tu es riche, tu vas prier. Tu as de l'argent, tu vas prier. Tu n'as pas de l'argent, tu vas prier. Tu es malade, tu vas prier. Tu es en voyage, tu vas prier. Tu es, ne sais pas, tu es couché, tu vas prier. N'importe quelle situation, tu dois prier. Pour nous montrer combien de fois la prière est chère chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu possèdes ta, tes facultés mentales, tu dois prier. Mais on te dit que ce que tu vas faire, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça pendant 40 jours. Et tu es tranquille. Et eh, dis-toi, si tu meurs pendant ces 40 jours, qu'est-ce que tu diras à Allah subhanahu wa ta'ala qu'à n'importe quel moment, tu peux rendre l'âme. Tu peux mourir. Voilà, tu es dans la sanction de Dieu et tu es mort. Tu vas dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala C'est un grand problème. Il faudra que les gens prennent conscience. Ce n'est pas bon. Donc voilà. Donc c'est ces trois versets par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a passé pour euh, interdire la prise de l'alcool. Il y a un autre hadith rapporté par Abdul Humayd de la part de Rabbi Annahu il dit Lama nazalat ayatul Baqara, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset de Baqara interdisant la prise de l'alcool, le prophète alayhi salatu a dit donc ce verset Yas'alunak an al-khamr mesir qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a dit Inna rabbakum yuqaddim fi tahrim al-khamr votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala commence par faire l'introduction à l'interdiction de, de, du vin. Donc c'est une interdiction. Parce qu'on a dit, il y a du bien, il y a le péché, il y a aussi un intérêt dedans. Donc ça veut dire que des gens qui ont déjà pris la conscience on sait su que ah, c'est une manière de nous interdire, mais pas trop clair. C'est pourquoi en ce moment, ceux qui ont compris ça de cette façon, ils ont dit alors nous on cesse et les autres dit, bon, tant qu'il n'y a pas d'interdiction claire, on a dit, il y a il y a l'intérêt, nous allons prendre cet intérêt et éviter le péché. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Et à la, à la descente du verset, le deuxième verset de Surat Nisa, donc Surat 4, Ya la hatta le messager d'Allah, et a dit tahrim al Il a répété la même chose. Et je vous rappelle très bien que votre Seigneur Allah continue par faire une interdiction. Donc il a commencé, c'est un chemin qu'on a pris pour vous interdire la prise du vin et même le jeu hasard. Donc Allah a commencé, il attire votre attention pour dire que ah, devant, on va vous interdire. Donc c'est une manière de les préparer à accepter ce qui va venir avant. Et dit, pardon, ce qui va venir après. Donc c'est ça. voilà Omar, قوله Ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le troisième verset, Ya ayyuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maisir, donc ce que nous venons de lire, wal ansab wal azlam rijsum min amal shaytan jusqu'à fahal antum muntahun, wa lamma sami'a Umar, lorsque umar ibn Khattab a entendu ce verset, fahal antum muntahun, est-ce que vous allez cesser, vous allez mettre fin Umar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, intahayna ya Rab, intahayna ya Rab, intahayna Ya nous avons, nous avons eu oh notre Seigneur, nous avons eu faim, nous avons eu Donc, vraiment, il faudrait qu'on dise, qu'on se rappelle ici que, certes, la prise de l'alcool, avant l'arrivée de, l'islam, est une chose vraiment que les Arabes se sont habitués. Donc, ils aimaient de l'alcool, du vin, tellement que il y a des poésies qu'on fait, ok, pour eux-mêmes rendre euh, pour, euh, à, l'honneur, à l'honneur de l'alcool, à l'honneur du vin. Donc il y a des poètes, il y a des gens qui font seulement du poésies seulement pour honorer le vin. Donc quand ça arrive en ce moment-là, il faut savoir que vraiment, euh, ils ont pris ça au sérieux. Donc c'est une chose, ils sont habitués tellement que Allah n'a pas voulu interdire ça d'un seul coup. C'est pourquoi il a passé par des étapes, par des étapes. Donc ce n'est pas facile. Donc c'est pour nous dire que ça, Allah est très miséricordieux avec ses euh, serviteurs et c'est une manière aussi de nous éduquer. Quand tu viens voir des gens qui sont déjà ils sont habitués à une chose pareille, alors faut pas forcer d'un seul coup que les gens laissent, que les gens cessent. Non, vas-y doucement avec eux. Il faut commencer par attirer leur attention, il faut commencer par la prise de conscience. Peu à peu, à un moment donné, ils vont te comprendre et ils vont cesser. Il faudrait qu'à un moment donné, tu profites des méfaits de ces choses-là à un moment donné pour dire, ah, tu vois, c'est la prise de ces choses-là qui vous a amené à faire ça. Donc, il faut commencer par ces choses-là pour que les gens acceptent le message que tu veux transmettre. C'est ce qu'Allah a fait avec eux. Donc, c'est ça, vous allez voir que même chez nous aujourd'hui, chez nous, dans notre environnement, il y a des gens, des frères, des amis que vous voyez. Il n'est pas musulman. Il, il a dit, il aime la religion. Il a envie de prendre, il a envie de se convertir. Quand tu le parles de, de, l'islam, quand tu le parles de la conversion, vraiment, il te coûte bien. Mais il te dit que c'est difficile. Pourquoi il te dit que c'est difficile Il te fait comme ça. Donc ça veut dire que l'alcool, c'est ça là, c'est pas... C'est un problème. Donc les gens sont habitués tellement que pour laisser ça, c'est un problème. Je vous jure qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent se convertir. Mais le seul problème, c'est l'alcool. Comment laisser l'alcool Comment laisser l'alcool mais pour ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidés, après leur conversion, ils sauront que vraiment, ils ont été aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et ils verront que c'était vraiment très facile. C'était vraiment très facile de laisser ça. Combien de fois cet alcool-là a, dessiné des gens dans le bas âge Dès le bas âge, l'alcool, vous allez voir que des gens qui continuent par prendre l'alcool, vous avez le même âge, peut-être que vous avez fréquenté ensemble, et la plus de ce jour-là l'a dessiné d'une manière et devenu vieux. On dirait qu'il il a dit, il a âgé de toi de, des années. Et pourtant, c'est ton collègue de classe, par exemple. Donc, depuis dans le bas à, l'école, déjà au collège ou au lycée, l'alcool matin, l'alcool soir, l'alcool matin, l'alcool soir. Donc, c'est devenu dans son sang d'une manière, il ne peut pas se séparer de cet alcool-là. Et ça l'a dessiné. Et ce qui fait mal, vous allez voir encore des musulmans, c'est ça. Pourquoi ne pas ceci Il faudrait qu'il y ait une différence entre nous qui prions et ceux-là qui ne prient pas. Si toi tu pries et tu prends ça, tu fais du tort à toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Demain, nous allons terminer et entamer le, de, euh, comment, les autres versets. Ce que nous avons dit, et ça considère le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense tous. Ce que nous avons commis comme des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne aussi. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. a Assalamu